Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, vous avez mon bonjour et mes remerciements. Je salue la presse ici présente. Monsieur le Président, aujourd'hui j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir à l'Assemblée nationale quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont travaillé, œuvré matin, nuit, jour et soir pour me faire arriver ici en 2017. je veux nommer mon fils, Mohamedou Amin Sar, qui est venu de l'Italie. Yaya, je te présente ton frère, il est là, au balcon. waaw def ci li mu mën yëpp kooku borom bëmax assemblée nationale monsieur le président je te présente ton neveu ah collègue député yi maa ngi leen di nuyu di ci lu am solo lo xamante waxon ko 9 milliards plus 7 milliards égale 17 milliards monsieur le ministre de la justice 16 16 milliards Bataille, ma monsieur le ministre de la justice je vous avais dit que je peux argumenter mon vote damay voter pour la suppression appelez ça comme vous voulez hein. élimination suppression tous les voies mènent à Rome monsieur le ministre je viens du département de Pékin, là où la construction d'une division, division, des investigations criminelles est, nécessaire. Une grande police. Je rends hommage à mon fils Aziz Dabala, décédé récemment des situations très critiques et très nébuleuses. Pour l'insécurité qui règne dans le département de Pékin, que bi, bi, bi milliards, tabac. Monsieur le ministre, j'argumente mon vote. La construction d'une caserne de sapeurs-pompiers est très nécessaire dans le département de Pékin. et c'est une exigence populaire des Pékinois. Et c'est ci qui bi génnee fii parce que Pékin manque d'infrastructures criard là. monsieur le monsieur le ministre man nag ma ñëw wax la un magistrat Ben tribunal bi ñu am je félicite le le le le magistrat qui est sorti et invite l'autre au travail mais ben tribunal bi mu am géejawaay jël nako terre ba géejawaay tribunal ba géejawaay préfecture ba géejawaay sapeur pompier ba géejawaay ñun Pikine 15 milliards 16 milliards yi ñun ñoko soxla dama koy voter. la suppression dama koy voter. bam neex ndax ans la def ci assemblée nationale bi ci je n'ai jamais voté le budget du conseil des collectivités territoriales ni celui du 16 dama koy argumenté dama ni monsieur le pré monsieur le ministre li war moy li war li warul warul dañu koy nooyal bam noy na noy ba melni xal ñu waxtane ko ñun ñi ñëpp am nañ lu ñu bëgg waye li ñu gëna bëgg moy comme li ñuy wax rek waxtane ko ñu ngi koy waxtane li tax ñu koy waxtane moy ñu war leena a ñom ñi ñu fal à 54 de la des voix de la population ñu doxal li nak c'est une demande sociale nécessaire évident Sénégal yep, la suppression est évidente kon nag nañu un top ci a un bëgg bug, bañ a topp suñu bakan, parce que topp suñu bakan nag mënul sur suñu bakan nag mënul passé taxaw fii di def ay blocage yu sew sewaan yu gàtt moi je pense que mes collègues députés sont très républicains très républicains te lii nii am na ci loo xamante ne ñu ko bañ te danañ ko nangu boo gisee siège ni mu yaraaxee sax nga xam ne am na ci yoo xamante ni par force dañuy woote maa leen di gërëm di sant sant monsieur le ministre je vous remercie. merci Ibrahima Diop suivi de Abdoulaye Diagne. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, donc je salue vos différentes délégations, de nous, mes collègues honorables députés, de nous également toute la diaspora sénégalaise, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le Président, je m'adresse en tant que responsable, et je le pense à des collègues responsables, nous devons aujourd'hui sortir de l'émotion, parce que l'émotion nous empêche de faire face à la réalité. Mais la réalité, il faut que les députés, effectivement, de Benno Yakar comprennent que dans ce pays, nous avons un président de la République qui a été élu avec 54%. Et cette réalité, effectivement, vous ne pouvez pas ne pas l'intégrer